justement euh, professeur mhm. loolu a am nañu démissionné dem dem Nations Unies. UMS devait réclamer toujours indépendance son indépendance des magistrats bëggatul président euh, le président le président de la République. que euh, le président du du du C du conseil supérieur de la magistrature bëggatul mu aussi le le le garde des Sceaux que le vice-président. loolu tamit boobu ba léegi ñu ngi mais non pour man non non pour man réforme la boo xamante ni mën na par exemple si demee dëkk des documents de France bon, moo fa am man may Afrique je ne def nañ ko mais moi, dama bëggoon dans la pratique dans la pratique justice bi ni muy Sénégal je man ma expérience président de la République sièges siège conseil supérieur de la magistrature ça ça ça influe très très très peu. comment ça. je donne un exemple Si vous voyez par exemple nommé magistrat mais président 99%. vingt dix neuf pour ñi 99 bon sauf si c'est la Cour suprême bon nous xam leen euh, et encore même PG Cour d'appel Dakar. par exemple. président Cour d'appel président Cour d'appel Dakar très bien il le procureur de Dakar mais président il euh, conseil supérieur la Maïsa. mais il ku ñu Fatick sa <laughs> procureur à être président. mais très bien très bonne question. Oui. parce que dafa am dëkk yoo xamante dañ ko def dañ ko def conseil supérieur de la magistrature bloqué parce que les magistrats sont trouvés entre eux. Amna na dëkk yu ñu wër buuma tudd tour yi parce que soo ci gouvernement do tudd tour hmm. yeneen pays Yo xamanteni conseil supérieur de la magistrature bi président bi génné dafa bloqué les magistrats sont retrouvés entre eux ñu ne le président de la cour suprême et le président du conseil supérieur de la magistrature day convoqué ki ñu dem am na benn dëkk boo xamante ne jigéen moo président conseil supérieur de la magistrature bi day convoqué réunion moitié bi duñ président a dit kenn du dem parce que ci seen biir dañ doon doon ñu d'ego, dañ doon am ay président su da fay ñëw au moins pour servir d'arbitre. juste am na yeneen dëkk xam réussir am na yeneen dëkk xam dañ ko def magistrat yi am mu am li wax un gouvernement de juge président nekkatu fa de ci conseil supérieur mu ñoom rek la seen biir kenn mënatul leen dara ñoom ñooy merci parce que président nekkatu fa ministre de la n'est nekkatu fa ñoom entre eux et ça commence à constituer un vrai corps un vrai pouvoir pour maintenir ni d'autre que ko contrôler mais pour empêcher ça la société civile wala les universitaires ils nañ dans le conseil supérieur. non mun nañu dugg. mun nañ dugg président génn ak euh, exécutif yi dem bàyyi Qui présider. bàyyi les magistrats peut-être wala ñu tànn je sais pas qui mais. on moins ils se retrouvent entre eux. Euh, oui. su problème problèmes, le ah <laughs> <laughs> président il 31 décembre ni mon d'accord ci non parce que justement mon président Macky Sall est bañ conseil supérieur de la magistrature président important présence problème le président il est là. moi conseil supérieur de la magistrature souvent deux parties sax lay ah. nomination mais on pose les problèmes du fonctionnement de la justice et solution il faut faut donc la présence ça va être ma dernière phrase donc souvent vraiment hein, peut-être que les maillots, c'est ma propre expérience là. mais moi, je me dans la pratique la présence du président au niveau du conseil supérieur de la magistrature elle est symbolique elle est symbolique le président xam affaire oui nomination de tel président pas d'observation, pas d'observation. Euh, nomination du tout, pas tout, pas d'observation, day xam on faisait d'abord ce qu'on appelle un pré-conseil mm-hmm. pré-conseil bi mooy lan la justice les membres du conseil supérieur Si ñu def lépp président une heure la affaire bi une heure parce que le président du ne mais quand kan moo fa qui, euh, kii Kolda kan ngeen fa def kan pour nekk pour procureur général Ziguinchor premier président en cour d'appel bu Kaolack non en réalité c'est quelque chose qui se décide entre la chancellerie et les magistrats Si avez président vous day entériner ah. bon évidemment su souhaite dañu président nommé par un président cour suprême ça c'est important euh, procureur général près la cour suprême c'est important il faut que le président L'indépendance ne magistrat et de la lan la. non sont pas indépendants. non non magistrat magistrat euh, Son procureur dañu laaj plus d'indépendance. ah je comprends ce que vous mais un magistrat vous bëgg davantage d'indépendance je ne comprends pas. Ah, parce que un magistrat il a jox dossier. nga a ne non man sax ci dara. comme ni ko hmm. a du 8e ah. cabinet. da ngay dem sa est dans sa ataaya la dara. wala ñu jox instruire à charge et à décharge ne waay waa ji ko a dara amu ci def ko la Il a le dara. instruire à une de jugement mais magistrat c'est que surtout un magistrat du siège procureur sax mun nañu non ministre doit avoir koy joxe instruction parce que c'est le parquet obligatoire mais un magistrat du siège en tout cas un magistrat du siège qui va être indépendant Je ne pas indépendant. mais mais un magistrat du siège qui va être indépendant personne ne la Si vous dellu par exemple qui actualité li ñu doon euh, moi euh, mbiri Ousmane Sonko est ce que comme viol lañ koy topé, su que dem nañ ba reconnaître coupable de viol est-ce que la euh, réforme du code pénal le code de procédure pénale bi y a dem inéligibilité. pour ne pas parler de l'espèce hein, euh, qui est entre les mains de la justice mais Sénégal euh, dès lors que nous condamnons la règle à une peine afflictive et infamante y a une inéligibilité. ça Sénégal Si le tëjee même trois mois hein, trois mois si le tëjee pourquoi parce que si nous tëjee pendant trois mois mënutoo inscrire ci liste électorale So inscrit si tu n'es pas électeur. tu n'es pas peine ferme wala peine bu mu mën a ferme ferme oui ferme. kon kon kon kon de mémoire ferme. Hmm. kon mon fi mu ne buñ coupable de viol. rek non bu la wax d'accord mais en général. Pape Djibril comme moom laa yëpp. oui oui. def suñu. <laughs> non su doon leneen.